Euh, la PPCB, c'est la péripneumonie contagieuse bovine. Euh, c'est une maladie euh, qui affecte les bovidés. donc, chez nous, au Niger, elle affecte les gros ruminants. Donc, autrement dit, les bovins. donc, c'est une maladie qui est due à une bactérie. qui va se traduire chez l'animal euh, par un essoufflement avec des troubles respiratoires. Et puis, bon, voilà, à l'autopsie, on va remarquer qu'il y a des lésions au niveau des poumons hein, et puis, en fait, de la fibrine qui va s'accumuler. Ce qui fait que les animaux qui n'ont pas été vaccinés vont en souffrir beaucoup et vont en fait euh, dépérir et au point de mourir est-ce qu'il y a un traitement approprié pour euh, cette maladie Alors, le meilleur traitement pour cette maladie, c'est la vaccination. Donc, euh, le Niger euh, vaccine ses animaux contre cette maladie. Et chaque année, l'État organise des campagnes de vaccination contre cette maladie. Et avec le projet PRAPS également qui intervient euh, pour la vaccination, non seulement contre la PPCB, mais aussi contre une autre maladie qu'on appelle la PPR, mais cette fois-ci c'est les petits ruminants. Comment est-ce que euh, l'éleveur, euh, le, pasteur, peut déceler cette maladie alors, généralement, les éleveurs, ils connaissent très bien en fait cette maladie. Et souvent, ils disent que c'est en Hausa, par exemple, tu t'as souillé... Donc ça veut dire qu'une maladie qui affecte les poumons. Et on va remarquer que en fait, euh, un animal qui est atteint dans le troupeau, il est toujours à la traîne. Donc c'est un animal qui est toujours derrière. Et souvent, quand il s'agit des transhumants, il arrive qu'il laisse même en fait l'animal en fait qui est malade à défaut d'acquérir en fait un boucher pour euh, acheter l'animal. Est-ce que l'animal atteint de la de la PPCB viennent de, de, cet animal est consommable. Alors, euh, et quand est-ce qu'on interdit euh, la consommation de la viande d'un animal C'est lorsque euh, la consommation présente des risques hein, de transmission de la maladie chez, chez l'homme. Mais il se trouve que la bactérie responsable de la PPCB euh, n'a aucun effet en fait chez l'organisme humain. Donc euh, un animal qui atteint de la maladie, normalement, euh, une personne peut consommer la viande sans, risque de développer une quelconque maladie. Mais bon, maintenant, il y a quand même ce qu'on appelle la répugnance. Hein. la viande peut présenter en fait un mauvais caractère hein, à vue d'œil. Donc ça peut donner des envies de ne pas pouvoir aimer cette viande hein, par rapport euh, aux, lésions qu'elle va présenter. Donc, mais sinon, la consommation ne présente pas de, risque fait pour le consommateur. Alors, euh, c'est une maladie, comme on l'appelle, hein, une maladie transfrontalière, euh, n'est-ce pas Donc, c'est surtout les mouvements en fait des animaux donc la, le dernier événement qui, qui s'est arrivé, c'est au niveau de la région de Douchi, des transhumants de passage hein, de, dans, la zone de Douchi sont, sont venus en partance vers le Nigeria. Donc euh, ils sont venus avec la maladie, donc euh, qui s'est sévi particulièrement, c'est les vaches de type Goudali. Et effectivement, euh, le risque de cohabitation avec les bergers et les animaux locaux que la proximité avec ces animaux-là peut faire en sorte que les animaux du Niger qui sont dans la région de Douti peuvent contracter au contact avec les animaux de ces humains en partant vers le Nigeria avoir euh, la maladie. Donc euh, la transmission d'un animal à un, autre nécessite un contact très étroit entre les deux animaux pour qu'ils puissent s'échanger en fait la, la bactérie. Merci beaucoup docteur. Je vous en prie.